et l'amélioration du cadre de vie. Je crois que dans le fond, j'ai délivré le message ailleurs. Je voudrais d'abord remercier et féliciter tous ceux qui sont mobilisés à travers les 14 régions du Sénégal, les 46 départements. Mais je voudrais faire une mention spéciale à l'armée nationale sénégalaise, qui, depuis qu'on a lancé ces journées, a toujours été très présente et je crois que rien qu'à Saint-Louis, le gouverneur me disait qu'il y a plus de 600 militaires qui ont été mobilisés aujourd'hui pour participer à cette journée. C'est une belle matérialisation du concept armée-nation et nous devons tous en être fiers. Je veux féliciter au nom du président de la République le maître d'œuvre de ces journées, en l'occurrence le docteur Chertigan Gueye, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, qui n'a ménagé aucun effort depuis la première journée jusqu'à ce jour, non seulement pour la réussite des journées, mais également pour le suivi. Parce que le moyen faible de tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est le suivi, qui ne permet pas, l'absence de suivi ne permet pas la, pérennisation des activités. Je le félicite donc et je félicite toutes ces équipes. Chers étudiants, il faut que vous preniez en main ces considérations, ces concepts. Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que, que je considère comme étant une chance pour vous. D'avoir une gouvernance renouvelée avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique, mais surtout une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes à nos jours, mais je puis vous assurer que chaque seconde que nous passerons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées, seconde exclusivement consacré à trouver des solutions pour vous, particulièrement la jeunesse. Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi vous me permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condoléances. Parce que vous avez entendu il y a trois jours ou quatre jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici au large de nos côtes et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes, soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscient, vous les jeunes. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent, c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner. La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui peuvent vous toucher particulièrement vous les jeunes. Votre avenir, celui que le président Bassirou fait vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne m'avait accueilli ici et je, vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime, s'il est isolé de son peuple, ne peut pas avoir de résultats. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après trois mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où se trouve. Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfient, le liquéfient ici, pour l'amener à l'extérieur, le regazifier et le consommer, et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz. Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais, à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut. Qu'on le transforme ici en énergie qu'on règle définitivement la question de l'énergie, parce que si vous réglez la question de l'énergie, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de l'industrialisation et donc la création de pour vous les jeunes. Nous avons fini de faire l'état de lieux sur le secteur minier, le secteur pétro-gazier, les accords de pêche et beaucoup d'autres secteurs. Notre projet comme vous l'a promis le président Bassirou Diomaye Faye c'est un projet de souveraineté Nous, moomaat suñu bopp am sañ nous suñu bopp suñu ñu et ça c'est un combat qu'il faudra mener parce que ceux qui étaient là avant nous ont signé des accords et des accords au détriment du Sénégal à 90 il va falloir revenir sur ça c'est un combat politique avant tout c'est un combat politique mais ces combats, nous les gagnerons que si nous avons tous les peuples sénégalais derrière nous. Est-ce que vous êtes derrière nous Et donc, vous, la jeunesse sénégalaise, nous ne sommes pas en train de parler de politique. Vous savez, il y a des gens qui, sont largués depuis longtemps. La politique politicienne, faite de démagogie, de promesses irréalisables, de manipulation, nous ne sommes pas dans ça. Autant qu'il le faudra, je, serai, je pourrai venir ici. Je n'ai même pas besoin de garde du corps pour venir ici. Vous regardez les yeux dans les yeux pour vous parler parce que je ne vous mentirai jamais. Et ce que je vous dis, ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye qui va développer le Sénégal. C'est pas c'est tous ensemble. Et la matérialisation de cette journée entre dans ce cadre-là. Ce que nous voulons que vous compreniez, au-delà de l'utilité d'enseigner le cadre de vie, qu'un cadre de vie assaini est un des principaux critères du développement. Mais au-delà de cet aspect extrêmement important, il y a la symbolique d'un peuple qui se mobilise autour de quelque qui relève de l'intérêt général. Donc je dis qu'au-delà de ça, de l'aspect utilitaire, immédiatement, il y a quelque chose de plus important. C'est la symbolique d'un peuple qui montre qu'il n'est pas un peuple bâti sur des égoïsmes. Un peuple qui sait se mobiliser. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Euh, minutes. du fatalini, le premier ministre Ousmane Sonko est présentement ici à UGV. jox ko jox jël ko taal di fàttali ni le premier ministre Ousmane Sonko est présentement à l'UGB Mais ngi fii nii UGB euh, di délivrer benn message bu am solo bo xamantene mom ak étudiants yi la doon leen expliquer euh, naka la gisee vision Sénégal waye itam nan ak naka lañu bëgg liggéeyé and ci ak askan bi surtout and ci ak étudiants

donc euh, xam naa ni damay conclure rek. li leen bëgg a wax mooy lu weesu njëriñ biñ ciy ut ci setal suñu gox setal suñuy kër te loolu ñu am solo la ci développement am na loo xam ne ci symbolique mooy message bi nga xam ne moom la ñuy c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le premier micro le premier micro. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. c'est bon. c'est bon maintenant, c'est bon. Quoi gars yi ma conclure rek wax leen ni.

xam nga toujours ñu naan ñu néegu étudiants yi ndox maa ngi fay ball loolu c'est fini. am na am na solution boo xam ne solution provisoire la dañ ci war a def dès lundi dinañ ko def dañ ci war a mobiliser ci fond dañ ko mobiliser entrepreneur bi def lu war a def pour ñu dàkkal loolu. am na léegi solution boo xam ne que plus structurel moo tax ñu doon defar station bi bële loolu it. jox nañ ci ndigal monsieur le ministre ak monsieur le DG Relance pour que liggéey bi yeggali ko ci nu mu gën a gaawee. bu ñu koy def nag préoccupation la boo xam ne du question dañuy baral loxo étudiants yi wala UGB waaye bépp problème yi am ñun suñu responsabilité ñu xool ñun ñu ngi ay solution. dernier message bi may lancer rek aux étudiants peut-être fii laa ko waroon lancer ndax fi defe waaye étudiant

su ngeen amee li ngeen may wax di ma ko wax waaye su ma amee li may wax wax ndax samay doom ma ne am na loo xam ne mënatuñ ko nangu bu dee dafa jar modifier sax franchise universitaire dañ ko def mais mënuñu bàyyi ay étudiants yi jamante ay paaka semaine bu ne dinañu ay victimes ngi hôpital loolu loolu campus social bi pour loolu li ma wax keroog bu may recevoir am diwaan yi loolu lay wax une gouvernance yërmande démocratique, compréhension et flexibilité là loolu dàqante wul ak fermeté ça se ko laajee kon dañuy yi vous êtes l'avenir de ce pays le prochain président de la république mu le prochain premier ministre mu le prochain ministre de ce sera mu le prochain président de l'Assemblée mu ngi ci yéen que, avec les problèmes puiser bu bu Sénégal bu daw jógee Sénégal dem directement mi ngi ci yéen probablement Une ambition on va dire, am pour réew donc là l'université doit être ce temple et ce qu'on veut renforcer au sein des universités Quand nous ngeen di soññ ci concentrez-vous sur vos études étudiants médecine ñun jaar nañu fii nee naa léegi euh, recteur yàq leen sur tour de l'œuf bi parce que c'est un football bi dañ ko yàq léegi basket bi lañ mën a fi nekk étudiants mais c'est de court moment yoo xam ne mooy déterminer peut-être sa cinquante pour cent année ngay vivre donc da ngay muñ benn yoon rek def ko yàlla def ci sutura te la ñu leen di ñaanal ñu leen di gërëm leen sant merci Ìṣègbè rẹ̀ alẹ́ sọ̀gbọ̀ ìṣègbè rẹ̀ rẹ̀. Bye, bye, Mais non, nous, euh, on était à l'UGB avec euh, le Premier ministre Ousmane Sonko délivré un message de sensibilisation ci immigration clandestine bi jox étudiants qui itam ay tegtal ndax moom Moïse seen Moïse mooy seen àndandoo moom mooy UGB euh, c'est un ancien ici. donc nous euh, avons jox na expliqué ak euh, ñi nga xamante les étudiants

donc euh, l'Olmo Neon euh, visitou visite euh, premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre de li nga le président Bassirou Diomaye Djahar Faye lancé la journée nationale setal sunu où aujourd'hui le premier ministre Ousmane Sonko était à Saint-Louis il est toujours à Saint-Louis où il reste encore d'ailleurs dans l'après-midi dinañ am ay activités yu bëri yoo xamante ne incha allah dina am fii nii di fàttali ni rek journée nationale de nettoiement bi seetal sunu réew mi ngi am présentement partout ci réew mi euh, image yaa ngi circulé ci réseaux sociaux yi que ça soit de Ziguinchor à Saint-Louis euh, de Fatick à Bakel tout le monde est mobilisé notamment jeunesse bi ñu comme niñ ko defee fi nga xamante ne moom moo di UGB euh, di leen jox dig daje rek comme ni ma ko doon waxee balaa may fàtte di fàttali rek président Ousmane Sonko itam daf fi ñëwoon

que la route de l'immigration n'est pas la solution et il faut vraiment inviter et inviter surtout la jeunesse à croire à ce pays, à croire à ce changement, à cette révolution qu'ils ont qu'ils sont euh, en train de faire ici au Sénégal Afrique ah révolution bo xamanteni euh, patriote yi jël am solo UGB ndax ci UGB mus ci de des waye itam étudiants yi mus ci ci UGB euh, da président premier ministre day dem restaurant

le premier ministre de Fateli, fii Djangé, c'est devenu un pèlerinage ici à UGB au-delà de l'aspect Sadal Sunureu. Comment tu vas? Bien et toi? Tu es aussi de l'île, non? Oui. Comme je disais, le Premier ministre va effectuer un pèlerinage ici au village

chambre ben nous sommes dans la chambre la chambre G7 du premier ministre Ousmane Sonko à l'époque étudiant ici à l'UGB mingi noonu di saafonteeg étudiants yi occupé chambre boobu tey. ah, ah. ñëwal ñëwal ñëwal nee na ko

Tout, est mou, tout est mu, tout est mu. Nana, la chambre est petite. <laughs> C'est un pèlerinage qui monte depuis. Donc vous êtes deux ici. Euh, trois.

mais fii dafa mënoon a sedd na. waaw waaw waaw fii sedd parce que le soleil ne touche pas quoi. le soleil ne touche pas mais il faisait waaye en général sax ah président kontaan nañu de tey boobu. ah mais man maa ngi lay kontaan c'est une émotion conviviale devant les gens sortis de mes photos. Je l'avais pris ici devant la porte. En 95. 95 Là, c'était un t-shirt pour la Lacoste. Ah, c'est ça, ministre de l'autre, le ministre. Il était pas mal. Ok. le pèlerinage effectué dans la chambre d'étudiants du premier ministre Ousmane Sonko ici à l'UGB G7 là, premier ministre Ousmane Sonko fait, fi ya vous êtes en master. en master en master 1 en français Mon Mimo occupait la chambre où était le premier ministre Ousmane Sonko qui à chaque fois, quand il vient à l'UGB, effectue ce pèlerinage durant l'élection présidentielle de 2019 aussi, durant la campagne, aussi, c'est devenu un lieu de pèlerinage, mais aussi lieu le bon inspiré où que les profils ont commencé. Et l'UGB est fier aujourd'hui de ce qu'est devenu le Premier ministre Ousmane Sonko. Brasil! Thank you. ministre def na ce pèlerinage habituel fii nga xamante ne moom moo di euh, pèlerinage bi pèlerinage bi def na ko pèlerinage euh, pèlerinage bu PM di def euh, chaque année waaw jaajëf pèlerinage bi premier ministre def chambre G7 chaque année si le temps lui permet de finir, on se souvient de la campagne présidentielle de 2019 nous avons visité et en même temps aussi d'un petit restaurant ba me un habitué des lieux et qui revient avec plaisir à chaque fois Dylan, euh, je rappelle que c'était dans le cadre de la journée 7 c'est al réew à Saint-Louis travaux euh, opération de nettoyage premier ministre Ousmane Sonko moko ko joxe euh, fini ni nga xamantene Ndar sur trois lieux trois voire quatre lieux même premier bi mi ngi ci plage euh, bu Chaumière fële après nous dem Pékin, hein, Pékin euh, mu sa mu situation euh, euh, situation travaux il faut que nous Nous une station de pompage un bassin de rétention bu fa avec une valeur de 60 milliards depuis 2018 non exécuté premier ministre demandé qu'on fasse les comptes le plus rapidement possible nous jox ko dossier nous avons nan la travail nous avons autant de temps pour réaliser une fédération. après ginnaaw raay xool ci li nga xamante ni moom moo di euh, situation bi nekk bi foofu parce que foofu cuvette la et en même temps aussi Naples, à chaque euh, hivernage a un problème d'inondation. premier ministre Dadi euh, di jox qui est le ministre de l'assainissement, cher Cheikh Tidiane disposition et de telle sorte que nous pouvons protéger protéger population et ci inondation à chaque année il fay yi fay avec des solutions structurelles et définitives Il xamante ne dina permettre euh, ñi de foofu ñu mën a définitivement de l'inondation. inondation point bi ñëwoon a di UGB UGB sur deux volets le ndax premier ministre ñëw na euh, visiter un peu euh, li nga xamanteni mo les travaux d'assainissement de l'UGB premier ministre muni euh, priorité absolue la pour nga xamanteni ni di gouvernement bu Sénégal ñu jël ci ay djégo danaka lepp en situation d'urgence la leen wax dañ ci taxaw ba nga xamanteni étudiants yi dootuñu amati ben problème li jëm ci jot ci ndox bi waye itam ci assainissement bi premier ministre nak fi la jàngee jàngee na fii UGB pendant quatre ans mu jaar fii itam euh, waxtaan saafonteeg étudiants yi waxtaan ak ñoom ci mbiru immigration clandestine euh, ni leen itam euh, le pays ne peut pas se développer aujourd'hui fini à nga maudit sans lui. en attendant dans laprès midi certainement dinañ délu ci wat ak information sur la page du premier ministre Ousmane Sonko sur la page de.